the forum distrito kalangu the forum distrito kalangu the forum distrito kalangu the forum Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes d'Istudio Studio sont relayés dans 34 localités du Niger, les 8 régions y compris, et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Le journal officiel de la République du Niger, c'est de cela dont il sera question dans le forum d'aujourd'hui. Le journal officiel, qu'est-ce que c'est Quelles sont ses principales missions Le journal officiel du Niger paraît sous quelle forme, en quelle période Quelles sont les difficultés dans l'apparition et l'archivage du journal officiel Quelles sont les difficultés dans la relation avec le public quelle perspective pour une meilleure performance du journal officiel Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous recevons ce soir la directrice du journal officiel et de l'imprimerie gouvernementale, en la personne de Fatimata Moro djakite Bonsoir, Madame la directrice. Bonsoir, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mohamedou. Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, merci de rester fidèles au programme du studio Kalangu. Si vous ne prenez un cours, ça tombe bien parce que nous venons juste de commencer. Je le disais tantôt, ce soir, nous parlons du journal officiel de la République du Niger. Sans plus tarder, nous allons vous donner la parole pour nous édifier ce soir sur ce journal officiel. Madame Fatimata Moro-Diakité, vous êtes la directrice euh, du journal officiel et de l'imprimerie gouvernementale. Dites-nous le journal officiel, qu'est-ce que c'est Merci, Monsieur Cosi. Sommairement, on peut dire que le journal, c'est un périodique qui informe l'ensemble des citoyens de tout ce que l'État entreprend au niveau de sa politique, au niveau de tout ce qu'il mène comme action en vue du développement euh, socio-économique du pays. Sa dénomination même dénote de sa spécificité. Le journal officiel, c'est un journal, certes, mais ce n'est pas n'importe quel journal. Mm. C'est le journal officiel parce que son contenu a un caractère officiel. Donc, ce qui est édité à l'intérieur du journal officiel, ce sont des actes qui émanent de la sphère étatique. Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir une idée des principales missions de ce journal officiel euh, La principale mission du journal officiel, c'est d'informer. Et donc, qui dit informer dit éduquer aussi. Essentiellement, l'objectif qu'on se donne par l'édition du journal officiel, c'est de porter l'information à l'intention des citoyens, du public. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'importance euh, d'un journal officiel euh, dans un pays On ne peut pas imaginer un état de droit sans journal officiel. Euh, pourquoi Parce mhm. que le journal officiel, c'est un moyen de publicité, c'est un moyen d'information. Et de par son caractère officiel de porter l'information vis-à-vis euh, du grand public. Mhm. Le journal officiel a deux caractères. D'abord, c'est un journal qui permet de garantir les droits des citoyens. Parce que si le journal n'est pas édité, son contenu ou l'ensemble des actions qui sont portées par l'État mhm. et entreprises par l'État ne peuvent pas être opposables particulièrement à celui qui n'est pas de la sphère de l'État. Mhm. Le journal officiel assure une certaine garantie aussi du respect des règles de, droit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État qui lui-même prend ces règles, il se rend finalement responsable de porter le respect de ces règles parce qu'il a une obligation d'informer les gens. Donc il y a une responsabilité de l'État vis-à-vis des actes qu'il prend et c'est le journal officiel qui porte cette responsabilité-là. Donc je pense que euh, de manière très succincte, on peut dire que euh, le journal officiel a deux missions. D'abord, la mission de garantir le droit euh, du citoyen, uh-huh. et puis d'un autre côté, celui d'imposer le caractère obligatoire des règles. Si on peut revenir un peu par rapport à l'historique du journal officiel, euh, notamment la date de création du journal officiel et puis les différentes évolutions que euh, ce journal a connues. Le journal officiel en tant que tel euh, a connu plusieurs appellations. Aujourd'hui, le journal, il s'appelle le journal officiel de la République du Niger. Mhm. Et il a porté cette appellation à partir de 1960, lorsque nous avons accédé à, à notre indépendance. Mhm. Avant 60, il faut dire que nous avons pris une grande part de l'héritage euh, de la colonie française. en 1853, il y a un décret qui a été pris pour porter l'applicabilité de certaines lois adoptées par la France dans ces colonies. Puis, il y a eu une sorte d'évolution pour dire, à partir de 1870, que la promulgation des actes résulte de la publication, de leur publication au journal officiel de la République française. La mise en place de l'Afrique occidentale française, l'AOF, on a pris un autre décret pour réglementer le transfert des actes publiés en France à l'Afrique occidentale française. Donc ça, c'était en 1920. Hmm. C'est un décret du 2 janvier 1920. Et ce décret dit que les actes pris par la colonie, certains actes pris par la colonie, sont transférés dans euh, euh, l'Afrique occidentale française. Ensuite, on a migré vers les colonies. Et la colonie du Niger, elle a vu le jour en 1922. Et à partir de ça, nous avons eu notre premier journal officiel de la colonie du Niger. Et ce journal officiel, à l'époque, était édité en Haute-Valta, l'actuel Burkina, et donc, systématiquement, tous les actes qui concernaient la colonie du Niger étaient publiés à l'imprimerie de Ouagadougou. Mhm. Ensuite, chemin faisant, on a, on, a, on a un peu évolué et vers le, vers l'indépendance. Mhm. Donc, jusqu'avant 1960, on va dire que le journal officiel était fait à l'extérieur il a, été pris en charge par l'imprimerie de Ouaga. Et ensuite, il y a l'imprimerie de Porto Novo qui a pris le relais. Et enfin, l'imprimerie de Cotonou. Donc nous, on a hérité le journal officiel de l'imprimerie de Cotonou à l'imprimerie de Niamey. Et euh, disons qu'à partir de l'indépendance, on a eu droit à notre premier journal officiel qui a été édité en 1960 et qui représente le journal officiel de la République du Niger indépendant. Alors, on a vu que depuis lors, euh, souvent c'était euh, mensuel, euh, ça paraît mensuellement, tantôt c'est hebdomadaire, aujourd'hui c'est bimensuel, deux paritions par mois. Oui, c'est vrai que la périodicité du journal officiel n'a pas été toujours euh, euh, fixe On va dire, oui, fixe. Elle n'a pas été régulière. Euh, elle a commencé d'abord, avant qu'elle ne soit bimensuelle, elle a commencé à être hebdomadaire. Les premiers temps, le journal officiel paraissait chaque semaine. Ça n'a pas duré. Mhm. Parce que c'était certainement difficile à, apporter. porter. Mais avant, c'était que les délais de transmission de là où on l'imprimait à là où normalement il devrait s'appliquer étaient longs. Et donc, ça mettait un peu en question la question de l'opposabilité au tiers. Mhm. Et donc, il est devenu mensuel par la suite. Et puis, enfin, on a décidé euh, qu'il allait être bimensuel. Et la bimensualité a commencé en 1962. Il paraît euh, normalement deux fois par mois. Il paraît le premier et le 15 de chaque mois. Le journal officiel du Niger paraît sous quelle forme il est édité sous forme papier pour l'instant. combien de, nombre d'exemplaires Le journal officiel est édité en 500 exemplaires, pas beaucoup. 500 seulement En 500 exemplaires. Et euh, nous avons été obligés de réduire le nombre d'exemplaires euh, édités à cause de certaines restrictions financières. À l'époque, on l'éditait en 800 exemplaires. Mais compte tenu de certains facteurs, on a été obligé de le ramener à 500 exemplaires. Et sur les 500 exemplaires qui sont édités, la moitié des exemplaires vont à l'administration publique. Donc de manière gratuite, l'État met à la disposition de toutes les structures étatiques au moins un exemplaire du journal officiel, je dirais par ministère, par direction ou euh, par service Bon, ça dépend. Nous, nous, nous, nous obligeons à donner un certain nombre à un ministère mhm. et le ministère, c'est lui qui, en fonction des nécessités, fait la distribution ou en son sein. Et l'autre moitié, vous avez la moitié. L'autre moitié, elle est destinée aux, abonnés. Nous avons un certain nombre d'abonnés mhm. et nous avons des abonnés euh, qui périodiquement Prennent le journal officiel. Donc ceux-là, on a une obligation de leur faire quand même une part dans ce que nous éditons. C'est vrai que c'est un journal officiel où, euh, si vous voulez, l'aspect commercial n'est pas un jeu ici. Hein. Parce que s'il faut faire le point sur euh, comment il se fait, c'est un journal officiel qui se fait à perte pratiquement parce que mhm. nous n'avons pas une obligation de rendement en ce qui concerne mhm. sa vente. Et parce que ce qu'on privilégie ici, c'est sa nature officielle et surtout sa mission ce que je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les types de documents qui sont quand même portés à la connaissance du public à travers le journal officiel bon, je vous l'ai dit, euh, le journal officiel porte les actions qui sont menées par l'État. Et ces actions elles sont de plusieurs formes. Par exemple, lorsque c'est nécessaire, l'État prend des lois pour faire porter des actions qu'il a l'intention de faire. Il agit aussi par actes réglementaires. Il prend des décrets, des, arrêtés, mhm. souvent des circulaires. Et ça, ce sont les actes qui émanent euh, de l'État, mhm. du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. et aussi le pouvoir judiciaire. Nous recevons périodiquement des actes de cours constitutionnels qui portent à la connaissance du public ce qu'ils ont pris comme décision à un moment où cette institution-là a été interpellée. Nous faisons ces publications. L'autre partie que contient le journal officiel, c'est ce que nous appelons la partie non officielle. C'est ce qui est constitué de tout ce qui n'a pas un caractère officiel. Ce sont les actes qui sont pris au bénéfice, par exemple, d'ONG pour les autoriser à exercer, les ONG et les associations. Nous publions les rapports annuel des institutions bancaires. Nous publions les actes qui, émanent des notaires, les actes de perte, les actes de constitution de société. Voilà euh, la catégorie d'actes que l'État fait obligation à ses bénéficiaires-là de porter la publication au journal officiel sous peine de remise en question. Mais la partie officielle, c'est ce que je vous ai dit. On publie les lois, uh-huh. les ordonnances, euh, les, décrets, les décisions judiciaires, mais uniquement des institutions fortes comme la Cour d'appel, la Cour suprême, la, Cour, constitutionnelle, oh, euh, généralement. Alors, ce que je voudrais savoir, Madame la Directrice, comment se déroule le processus de publication euh, au journal officiel Dès que vous recevez les décisions, vous publiez ou bien il y a un travail qui est fait en amont Expliquez-nous. Le processus de publication des actes au journal officiel a une certaine technique. D'abord, il faut rappeler que le journal officiel de la République du Niger est Régenté aujourd'hui par l'ordonnance 70 du 15 janvier 1960 qui fixe les conditions de publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs dans la République Niger. Cet acte a défini les conditions dans lesquelles la publication se fait. Cet acte dit dans son article premier que les lois votées par l'Assemblée législative entrent en vigueur du fait et à partir de leur promulgation. Les ordonnances ayant force de loi prises en vertu des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement, les décrets, et les arrêtés réglementaires ou individuelles, ainsi que toutes les autres décisions des pouvoirs publics produisent leur effet dès le jour où ils ont été accomplis. C'est l'accomplissement qui détermine le point de départ, de, la vie de l'acte. Toutefois, ces actes ne peuvent être opposables aux tiers que lorsque ils, ont été publiés. Donc lorsqu'ils ont euh, subi le processus de publicité que la même loi a défini. Elle dit ceci. Elle dit que il y a des actes dont il y a une obligation formelle de publier sans hésiter. Mhm. Ce sont les lois, les décrets de promulgation, les ordonnances, les décrets arrêtés réglementaires de portée générale. Cela, la loi nous impose de les publier obligatoirement et in extenso in extenso, ça veut dire euh, en entier. En entier, du titre au signataire. Mm-hmm. Maintenant, le prochain article, il définit les conditions dans lesquelles les actes individuels sont sont publiés. Les actes individuels, ce sont généralement les actes qui émanent des institutions pour euh, gérer la vie administrative des individus. Mm-hmm ce sont les actes de nomination. Dans, euh, par exemple, le corps de la fonction publique, mm-hmm. ce sont les actes qui mettent à la retraite, mm-hmm. ce sont les actes qui portent avancement. En fait, tous ces actes, euh, par exemple, euh, qui donnent les résultats de concours, tous ces actes qui affectent la vie d'un agent mm-hmm. de l'administration. Ça, c'est ce que nous appelons les actes individuels. Et à ce sujet, la loi a dit que nous avons la possibilité de les publier. ça veut dire que ce n'est pas une obligation, pour les actes euh, émanant Oui, ce n'est pas comme si ce sont des actes qui affectent, qui sont de portée générale et donc qui affectent de manière beaucoup plus, étendue <laughs> euh, la vie du citoyen. Là, ça n'affecte qu'un individu ou un groupe d'individus. Et ça, on dit, nous sommes autorisés à les publier si il y a une nécessité. une nécessité. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a la partie non officielle. Ça, c'est la loi, en fait, je veux dire, c'est l'État qui a dit que ces structures, ces organisations qui bénéficient d'une activité au sein du pays ont l'obligation de porter l'information qu'ils sont autorisés à exercer au journal officiel. Et ça aussi, il y a une procédure à suivre. Systématiquement, lorsque une autorisation est délivrée à une association ou une ONG, Pour, pour exercer, mm. nous la recevons du ministère de l'Intérieur. Et nous, nous faisons d'abord une obligation officielle parce que c'est un acte qui émane d'une institution euh, gouvernementale. Ensuite, vous avez l'obligation qui est faite à l'association ou à l'ONG de faire sa publication et à partir de ce moment, on la met dans la partie officielle parce que tout le contenu de l'acte doit être porté à l'information ah du public. Tandis que ici, en fait, nous faisons un résumé sommaire pour dire que telle ONG est autorisée à exercer, ses activités par arrêté tant, tant, tant, tant du ministre de l'Intérieur. Et cette association qui a bénéficié de cet acte, en ce moment, se présente parce qu'il y a une disposition qui dit que, sous peine de remettre en question l'existence de l'association, la structure est obligée de faire une insertion au journal officiel dans un délai précis. précis. Généralement, un délai de trois mois. De trois mois. Et donc, nous, nous avons une obligation aussi de compte rendu au ministère de l'Intérieur. Si au bout de trois mois, l'ONG ne s'est pas présentée, nous faisons en fin d'année, en réalité, un listing des, structures qui ont été autorisées, mais qui ne se sont pas présentées. Bon, aujourd'hui encore, il y a une autre pression apparemment qui est en train de se mettre en place mhm. euh, et qui provient du message de Plan qui aujourd'hui a institué ou a obligé toutes les ONG actives à se faire insérer au journal officiel. Ça fait du coup que nous recevons des, <laughs> des ONG que nous n'avons pas vues depuis 20 ans. Euh, quand vous dites que l'ONG qui, par exemple, qui a reçu euh, une décision euh, d'exercer et que vous, vous avez reçu la, la, la notification du ministère de l'Intérieur, vous publiez d'abord un premier, un bref résumé. Ensuite, l'ONG en question est tenue dans un délai bref, trois mois, maximum de venir euh, donc se euh, présenter pour la publication un peu de, l'acte. Est-ce que euh, c'est payant Les insertions au journal officiel, lorsqu'elles proviennent des particuliers, sont payantes. L'État a mis les moyens en place pour que les actes qu'il prend soient publiés. C'est pour ça que le JO existe et le journal officiel a un budget pour faire ça. Par contre, lorsque d'autres insertions au journal officiel nous parviennent, en ce moment, nous n'avons pas le contrôle financier. Mm. Et donc, la structure prend en charge selon une règle qui est établie. Ce qui est retenu jusque-là, c'est qu'une association qui est autorisée à exercer fait sa publication au journal officiel selon un barème. Le barème, c'est quoi C'est que chaque ligne de l'arrêté d'autorisation mm. coûte 3 000 francs. Chaque ligne Chaque ligne coûte 3 000 francs. Pas page non. Chaque, ligne. Et donc, généralement, avant qu'elles ne viennent, elles connaissent à peu près, ce que ça, va, ce que ça va leur coûter. Et donc, euh, tout ce qu'on ne fait pas, c'est que si vous venez avec un acte qui a deux lignes, nous allons quand même prendre 30 000 francs parce que c'est le prix minimal qui est fixé pour la publication au journal officiel. Tout à l'heure, j'ai voulu que vous nous dites un peu le traitement que vous faites euh, des actes avant de les diffuser. Je vais dire, euh, est-ce qu'il y a une vérification qui est faite de votre part pour, euh, pour vous assurer de l'authenticité, pour vous assurer que l'acte est en entier Le processus de publication au journal officiel, on va dire que c'est une chaîne de production. elle commence par la collecte des textes. Tous les jours, nous recevons pratiquement des de, 90% euh, des ministères des actes qui sont pris, ou, je vais dire des institutions. Nous recevons tous les jours des actes. Et quand on reçoit ces actes, nous faisons d'abord un premier exercice. C'est celui de distinguer les actes qui sont obligatoirement publiés des actes dont la publication est facultative. Mhm. Et au sein de ces actes, qui sont obligatoirement, publiés. Il y a une certaine classification qui est faite. Si vous regardez le journal officiel, mm. vous allez voir que D'abord, ce qu'on met en avant, ce sont les actes législatifs, les lois, euh, les textes à caractère législatif, les, ordonnances. Mm. Et ensuite viennent les décrets. Et après les décrets, on met les actes de portée réglementaire tels que les arrêtés mm. et certaines circulaires. Maintenant, en ce qui concerne euh, le traitement, il y a un premier agent qui fait le tri des actes. Il fait le tri et il fait une classification de tous ces actes par entité ministérielle. On respecte euh, la préséance qui est donnée par le décret qui est relatif à la composition du gouvernement. Donc notre référence, c'est le décret qui met euh, en place le gouvernement. Quand ce travail est fait de pré-traitement, mm. en ce moment, il y a un juriste qui fait la sélection des textes à portée réglementaire. Je suis toujours dans la partie euh, officielle, du journal officiel. Donc, il fait la composition de la partie officielle. Donc, c'est lui qui monte les lois, ensuite, euh, etc. Mhm. Et selon la préscience mhm. euh, du gouvernement. Et après ce traitement, son travail va aller à la chaîne de saisie. Donc, je dois dire que lorsque nous faisons le journal officiel, mhm. pratiquement 90% des textes qui sont dans le JO sont ressaisis. Par vos agents Par les agents. Quel travail Quel travail, merci. En tout cas, euh, c'est à ce prix que nous faisons le journal officiel. Et pourquoi vous, ne recevez pas euh, des, documents sous forme électronique Nous ne recevons pas tout sous forme électronique. Mm. Euh, on va dire que les textes que nous recevons sous forme électronique, ce sont les textes qui font l'objet de traitement au niveau du secrétariat général du gouvernement. Donc ce sont euh, les lois qui, en fin de compte, sont portées, en fait, euh, les documents sont portés par le SGG, mhm. les ordonnances, mhm. les décrets, tous les décrets, et en tout cas les, actes qui émanent de l'Assemblée, de la présidence, du cabinet du Premier ministre. Cela, nous pouvons avoir les fichiers parce que nous sommes, dans la même, nous sommes logés à la même enseigne. Mhm. Par contre, les actes qui émanent des ministères, ça c'est un peu plus compliqué c'est compliqué parce que nous aurons souhaité que euh, cette collecte se fasse de manière numérique, que nous recevons de tous les ministères les actes comme on les reçoit sur support papier. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des ministères qui collaborent. Quand nous avons un document qui est assez volumineux, nous faisons la requête au niveau de, de l'institution initiatrice et nous pouvons avoir. Donc après la saisie, il y a une première étape de contrôle qui est faite. Euh, parce que bon, évidemment, vous savez, vous pouvez imaginer la surcharge de travail au niveau de la saisie. Et ces dames font un travail remarquable, il faut, il faut le reconnaître ici. Seulement, le volume du travail que, fait souvent que le travail devient très harassant. Après qu'elles aient fini de saisir, mhm. il y a le juriste qui fait un travail de contrôle est-ce que l'agencement a été respecté Est-ce que tous les actes qui ont été retenus pour être publiés dans euh, ce journal officiel spécifique y figurent Donc il fait ce travail préliminaire. Ensuite, il propose le document à la composition. La composition, c'est l'étape qui est euh, gérée par les informaticiens. Mmh. Donc nous faisons la composition telle que vous connaissez le journal officiel sous le format journal officiel. Donc après la composition, on fait un premier tirage. Nous avons donc le passage de ce document composé au juriste qui a initialement fait le contrôle. Il fait encore un second contrôle après composition. Et quand il a fini de contrôler, il fait les observations sur les grandes Insuffisance du document, les grandes fautes ou les, en tout cas les, quelques ratés qui ont été constatés. Et il retourne à la composition pour corriger. Après cette seconde étape-là, euh, ils, ils, portent les corrections et ils font un autre tirage. Quand le tirage est fait, ils passent à un autre juriste pour qu'au moins on ait un autre regard, mm. on a besoin d'environ trois lectures, selon le même mm. processus. Donc nous, faisons, nous ne faisons le tirage définitif qu'après la quatrième lecture que moi j'opère en tant que directrice responsable de l'édition du journal officiel. Et c'est cette dernière lecture-là qui, après validation, donne le point de départ de, de l'impression d'abord. On fait à l'intérieur de la maison le tirage puis c'est une autre équipe qui prend le relais pour le plier, pour l'encarter et pour le compter et ensuite pour le ranger avant de faire le dispatching auprès de différentes destinations. Euh, exactement. Et nous allons poursuivre, madame, pour savoir euh, cette fois-ci euh, comment est-ce que vous archivez, vous conservez les, documents du journal officiel. La conservation du journal officiel se fait de deux façons. nous avons évidemment le support papier quand on a fini de faire la distribution, quand on a fini de vendre, il nous reste quand même un petit stock qui représente ce que nous avons fait. Il y a en fait l'archivage officiel qui est, constitué par le dépôt légal. Et ça, nous mettons à la disposition de la Direction nationale des archives nationales un document du journal officiel qui, euh, qui est archivé en fait et qui constitue, si vous voulez, une référence historique qu'on garde. L'autre support, c'est le support numérique. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de garder toutes nos collections du journal officiel sous forme numérique. Et je pense que c'est un moyen d'archiver, peut-être pas le plus fiable, parce que <laughs> euh, aujourd'hui, souvent, on est, on est exposé à des, euh, des cas de de fraude, on est exposé à des virus. Mais quand même, c'est un des moyens aujourd'hui que nous essayons de privilégier avec toutes les précautions possibles. Alors justement, parlons de, ce petit aspect que vous, euh, dites que souvent vous êtes euh, euh, victime de cas de, fraude ou des, petites attaques des, virus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, est-ce que le, journal officiel est protégé par un certain nombre de paramètres pour garder l'authenticité, pour garder l'intégrité des actes qui sont qui sont publiés Bon, vous savez. Il n'existe pas de dispositif juridique qui aujourd'hui parle des données numériques. Je, à ma connaissance, en tout cas, euh, je ne connais pas un dispositif aujourd'hui juridique qui euh, préserve de la contrefaçon, par exemple. Euh, l'autre aspect que je voulais mettre en exergue, c'est le support papier. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas un moyen à l'œil nu ou en tout cas pas nous, parce que nous, nous, savons quand même ce que nous publions, mais le tiers à l'extérieur, il n'a aucun moyen de faire une différence entre un journal officiel authentique provenant du secrétariat général du gouvernement et un journal officiel qui a été falsifié. On n'a aucun moyen. La seule façon d'être sûr que le document qu'on détient dans ses mains est l'authentique, c'est juste la comparaison qu'on peut faire avec un autre acte au sein du secrétariat général du gouvernement, au sein de la direction du journal officiel. À travers les références À travers les références, mais à travers surtout le contenu des textes. Mhm. Parce que qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une falsification Ce sont les actes, mhm. ou de la partie officielle, ou de la partie non officielle. Non officielle. Voilà. Bien. nous abordons la dernière partie de cette émission, notamment euh, euh, les difficultés. Peut-on avoir une idée des principales difficultés que vous avez souvent dans l'apparition et dans l'archivage du journal officiel Bon, j'avais tantôt commencé à, formuler des... Euh, cette difficulté, notamment le fait que beaucoup d'actes que vous recevez ne sont pas sous, forme électronique et que vous êtes obligé souvent de, de faire des saisies. Oui. Tout à fait. Euh, je disais euh, tantôt que l'un des problèmes que nous rencontrons, c'est la saisie du journal officiel. Et euh, l'une des grandes difficultés ou l'une des raisons pour lesquelles le journal officiel connaît des retards de parution, c'est parce qu'il y a une grande quantité de textes qui nous parviennent tous les jours. Euh, euh, au vu de la taille du gouvernement, vous pouvez imaginer le nombre de textes qui nous parviennent et que nous devons saisir mm-hmm. avec une équipe qui est réduite et dans un délai bien précis. Parce que, bon, à la différence de beaucoup de structures de, l'administration, nous, nous avons une obligation de résultat. C'est quoi l'obligation de résultat C'est de sortir un journal officiel toutes les deux semaines. Les, paramètres actuels nous permettent difficilement de le faire. On le fait lorsqu'il y a une exigence. Là, euh, nous essayons de maintenir le cap. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous laissons tout tomber pour faire quelque chose qui nécessairement doit respecter un, certain, délai. Et donc, nous nous obligeons à sortir ce document qu'on appelle journal officiel à temps pour que l'opposabilité au tiers puisse jouer. Hmm. En dehors de ça, euh, il faut reconnaître que, à euh, l'état actuel, il est très difficile d'atteindre euh, cette exigence de périodicité de toutes les deux semaines. Chaque premier et chaque quinze... Euh, chaque premier et chaque 15 du mois. Peut-être que nous allons évoluer vers un changement de périodicité, je ne sais pas. Ou alors, ou alors, c'est essayer de trouver quelques solutions aux difficultés que nous rencontrons. Notamment ce problème de saisie. Aujourd'hui, je suis presque convaincu que si, au lieu de, en plus de recevoir les supports papier, nous recevons les supports électroniques, nous pouvons gagner au moins 60% du temps de traitement de, la chaîne de production. Parce que tout à l'heure, vous avez commencé à dire que, euh, tout cas, 90% euh, des publications sont saisies. C'est vrai c'est vrai. Et on est là, on en est toujours là. C'est vrai que le retard du journal officiel, ça a commencé déjà à l'origine. Mhm. Ça a commencé déjà lorsque euh, la colonie du Niger existait. Mhm. On ne le recevait pas à temps, on ne le publiait pas à temps. Aujourd'hui, quand même, nous avons un minimum de moyens qui sont mis à notre disposition par l'État. Maintenant, ceux qui nous échappent, c'est ceux que, dont nous n'avons pas le contrôle, notamment les supports numériques qui dont disposent les autres ministères et qui peuvent nous être mis à disposition. Mhm. Et ça, c'est un des vœux que nous formulons vraiment et pour attirer l'attention de nos partenaires, parce que ce sont quand même nos partenaires, ces, ces départements ministériels qui produisent des textes, pour qu'ils nous produisent les supports numériques alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas cette obligation pour eux de, de, donner les deux versions Non, il n'y a pas d'obligation. Peut-être que pourquoi pas évoluer ou penser, penser à ce que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, penser à ce que qu'une obligation soit soit faite à ce niveau pour que chaque texte puisse être accompagné euh, d'un support électronique. Mais en tout cas, cela, cela nous rendrait un grand service <laughs> si, si ça peut être une obligation ou en tout cas une une décision qui peut être prise au niveau du gouvernement pour, euh, je ne dirais pas une obligation, mais plutôt puisque ce sont des collaborateurs, nous souhaitons quand même que ce soit une collaboration euh, avec eux. Nous souhaiterons sincèrement que euh, nous recevions ce supports numérique pour nous permettre de gagner en temps. Euh, je ne regarde pas la formule, je, je, je, ne me demande pas comment cela va se faire, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse être fait. que ça se fasse. Bien. est-ce que, quel autre problème Est-ce que vous avez euh, des difficultés avec le public notamment, qui a souvent besoin d'accéder euh, au journal officiel Vous savez pourquoi on n'a pas de difficultés avec le, public Parce que c'est un organe qui n'est pas très connu du public en fait. Hmm. Euh, euh, quelques institutions sont sensibilisées sur le journal officiel parce qu'au jour le jour, elles travaillent. Par exemple, aujourd'hui, on va dire que plus de 50% de nos, de nos abonnés, ce sont des institutions, euh, on va dire, internationales, ou des institutions qui ont une certaine euh, connaissance de l'utilité du journal officiel. Mmh. Mais l'autre partie, ce sont évidemment ces ONG et associations qui font une publication et qui viennent acheter juste le journal officiel qui concerne leur publication, dans lequel leur publication a été, faite. Mais nous, notre objectif, euh, disons, la mission du journal officiel, c'est d'être, d'informer. Et pour qu'il informe, il faut qu'il soit euh, assez connu. Mmh. Il faut qu'il aille le plus loin possible et qu'il touche euh, le maximum de personnes. C'est ce qu'on ne connaît pas. Euh, je connais beaucoup d'administrations où on a toujours considéré que le journal officiel est un document confidentiel. Peut-être une confusion entre officiel et confidentiel. Euh, souvent, on l'a trouvé dans des tiroirs parce qu'on pense que c'est confidentiel. Non, le journal officiel, c'est un document qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut se présenter à la direction du journal officiel et acheter le journal officiel. Effectivement, euh, j'allais en venir cette question, madame. Aujourd'hui, si j'ai besoin d'avoir une copie du journal officiel, que dois-je faire voilà, vraiment de la manière la plus simple. Vous êtes euh, une personne qui est intéressée à acheter le journal officiel. Vous pouvez l'acheter euh, euh, par, par, document unique. Vous pouvez aussi vous abonner au journal officiel. Donc l'abonnement, qui n'est pas cher d'ailleurs, 25 000 francs l'année, vous donne droit à 24 numéros. Chaque parution Chaque parution. Les 12 mois de l'année, deux numéros par mois, ça vous donne droit à 24 numéros. En plus des 24 numéros, nous faisons des éditions spéciales. Et vous avez également droit à ces, numéros spéciaux. Et c'est des livraisons qui se fassent comment on se rend pour prendre son... Oui, pour l'instant, nous n'avons pas développé un mécanisme qui nous permet d'aller vers le public, mais c'est le public jusque-là qui vient à nous. Et l'abonné est prioritaire L'abonné est prioritaire, évidemment puisque, en fait, non, l'administration est prioritaire. Euh, l'administration. est prioritaire, et, mais euh, nous nous engageons ou nous faisons en sorte que tous ceux qui sont intéressés, quand même, trouvent, trouvent l'organe. Oui, euh, trouvent trouve à leur disposition le périodique, je veux dire. Mhm. Donc, on n'a pas de problème jusque-là. Il nous est arrivé quelques rares fois où des journaux officiels ont été épuisés parce que ils sont, euh, ils portent sur une action qui intéresse tout le monde. Par exemple, ce qui nous arrive généralement, c'est avec euh, des textes de portée, euh, comment on va dire, par exemple la Constitution mhm. ou le Code électoral. Mhm. Ça, c'est le genre de publication qu'on fait et qui tout de suite s'en vont comme des petits pains. nous étions sur comment l'avoir. Vous avez parlé de l'abonnement. Oui, j'ai dit que euh, ah, le procédé de l'abonnement, mais vous pouvez acheter aussi des périodiques euh, juste parce qu'il y a un texte qui vous intéresse. Vous venez vous l'acheter uniquement. À combien euh, Le journal officiel coûte 1000 francs en année actuelle et il coûte 1500 francs en année antérieure. Donc, c'est vraiment pas pour vous dire un périodique qui n'est pas inaccessible en fait. Bien. Euh, quelle conclusion, madame, vous, avez, vous, voulez faire quel, Sur quoi vous concluez euh, cette émission sur le journal officiel Qu'est-ce que vous avez envie euh, de, compléter, d'ajouter Il me paraît nécessaire quand même de faire un appel en direction surtout d'une certaine frange de la population. Je ne parle pas du <laughs> Je ne parle pas du, citoyen ordinaire. Ce que moi j'appelle citoyen ordinaire, c'est le Nigérien qui est au village, qui ne sait pas lire, qui n'a pas connaissance de ce que c'est que le journal officiel aujourd'hui. Euh, L'aberration, c'est que ici, au niveau euh, urbain, où une grande partie de la population est éduquée, alphabétisée, sensibilisée, active dans la vie politique, on se rend compte que une grande partie de cette population-là ne connaît pas le journal officiel. Et peut-être que quelque part, on nous a toujours dit non, vous n'avez pas un objectif euh, lucratif. Non, vous ne cherchez pas de l'argent. Donc, ce n'est pas la peine de faire la publicité autour du journal officiel. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de muter politiquement nous sommes en train de muter euh, sur le plan de la démocratie. Nous connaissons des changements en ce qui concerne la conception même de l'état de droit. Mhm. Donc, pour que aujourd'hui on puisse exercer ce qu'on appelle ses droits, il faut quand même qu'on s'informe. Aujourd'hui, euh, parmi nos abonnés, nous n'avons qu'un seul parti politique, par exemple. Un seul parti. Un seul parti politique. Alors, quand on cherche le pouvoir, ou quand on veut faire de l'opposition. Je me dis qu'un minimum, c'est quand même de se renseigner sur ce que l'État est en train de faire. On va me dire oui, mais de toute façon, votre JO ne paraît pas. Mm-hmm. Mais quand cela ne tienne, nous sommes dans un processus. Nous essayons de trouver les mécanismes qui vont être les plus favorables pour nous permettre de faire un journal officiel à temps. Mais je pense que c'est une nécessité aujourd'hui, c'est même une obligation, c'est un devoir pour le citoyen de mettre à sa disposition le journal officiel. Donc ce que je voudrais euh, faire, c'est lancer un appel mhm. vis-à-vis, par exemple, de la société civile, euh, des partis politiques, des hommes politiques, vraiment pour qu'ils donnent une vie au journal officiel, qu'ils donnent un sens à cette dynamique de comment on va dire, euh, de, de l'évolution ou de la mutation vers l'état de droit, parce que c'est eux quand même. Qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, aujourd'hui, ceux qui font l'état, ce sont ces, gens, ces personnes qui ont des intérêts à défendre, qui ont des idéaux à défendre. Donc le journal officiel fait partie, c'est une nécessité. Je pense que euh, voilà ce que je voulais dire pour conclure. Bien. Fin du forum de ce soir sur le, journal officiel de la République du Niger. Euh, je le disais, euh, nous étions en compagnie de la directrice du journal officiel et de l'imprimerie, Madame euh, Fatimata Moro Diakité. Euh, merci d'avoir été des nôtres. Nous retenons quand même que le journal officiel est très important. C'est un document qui permet de s'informer, de s'informer des actes euh, pris par les autorités, pris par euh, l'État. Et c'est un document très important auquel chaque citoyen doit quand même avoir un œil regardant parce que l'état des droits ne passe que par la connaissance effective donc de ces, droits et devoirs, comme vous l'avez rappelé, madame. Et euh, vous avez cité un certain nombre de difficultés euh, que rencontre aujourd'hui euh, le journal officiel, notamment le problème de support électronique qui pose beaucoup de problèmes, ce qui vous contraint à ressaisir 90% des documents qui sont destinés à être publiés. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission sur le journal officiel. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.